le forum du studio le forum du le forum du forum du forum forum du forum forum du forum du forum du 18h passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou, qui est un espace d'échange et de débat dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Chers auditeurs, aujourd'hui vendredi 9 mars 2018, le forum est consacré au décryptage de l'actualité de la semaine marquée par la célébration hier 8 mars au Niger de la Journée internationale des droits des femmes, journée placée sous le thème Nous ne voulons pas de fleurs, pas de cadeaux, nous voulons des droits garantis et protégés, nous voulons l'égalité. Au plan politique, notons la marche suivie de meetings organisés par la Mouvance pour la Renaissance du Niger MRN et l'Alliance pour la République APR en soutien à la loi des finances 2018 et aux, et aux actions du président de la République Issoufou Mahamadou. Politique toujours avec euh, la convocation mercredi 7 mars de la session ordinaire du Conseil national du dialogue politique CNDP avec euh, à son ordre du jour information sur le processus électoral en cours au Niger et l'ouverture lundi à l'hémicycle de l'Assemblée nationale de la première session ordinaire au titre de l'année 2018, une session dite des lois qui durera 90, jours. Avec nous en ce moment pour euh, développer euh, ce, thème, Ousseini Issa, journaliste indépendant. Ousseini Issa, bonsoir. Bonsoir. Nous attendons d'un moment à l'autre Abachari Arimi de la radio alternative et Murtala Mamadou de l'hebdomadaire La Griffe. À l'instar des autres femmes du monde entier, la femme nigérienne a célébré hier 8 mars 2018 la journée internationale des droits de la femme. Cette année, au Niger, la journée a été placée sous le thème Nous ne voulons pas de fleurs, pas de cadeaux, nous voulons des droits garantis et protégés, nous voulons l'égalité. Ousseini Issa, euh, journaliste indépendant, euh, cette année encore, la femme nigérienne fait du respect de l'égalité des sexes une de ses priorités. Euh, c'est un souhait, une exigence. Quelle est votre lecture de la chose bon, Merci Mokhtar. Effectivement, hier, 8 euh, mars, les femmes ont organisé, comme avait dit, ont célébré à l'instant de la communauté internationale la journée euh, internationale des droits de la femme, c'est qu'à l'occasion de cette journée, euh, effectivement, dans tous les pays au monde, il y a des manifestations qui sont organisées par les organisations féminines, par toutes les structures. Bon, ben, c'est un peu, moi, que je dis quelque part, euh, c'est juste pour suivre la marche. C'est juste pour suivre la marche dans notre pays parce que tout simplement, c'est que chaque année, c'est une litanie. C'est les mêmes euh, préoccupations qui sont soulevées, mais véritablement, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de lutte véritable qui sont menées par les femmes pour pouvoir, veut dire, faire prévaloir ces droits-là. À l'occasion de la journée, on organise euh, par-ci, par-là, en fonction des organisations, on fait des déclarations, on organise par-ci, cela, des manifestations, mais ça s'arrête là. Après, qu'est-ce qu'il y a de concret Absolument rien du tout. Et ça donne l'impression comme si, en fait, les combats se mènent ou la lutte se mène pour des positionnements au plan institutionnel et politique. Parce que quand on voit généralement qu'est-ce qui se passe dans nos pays, parce qu'il y a des femmes qui sont au niveau mondial. On ne fait pas beaucoup d'efforts pour que ces femmes-là, les conditions de La plupart d'entre elles ne savent même pas euh, si cette journée, cette, cette journée. journée pourtant, c'est une journée à l'occasion de laquelle euh, les femmes qui sont, en tout cas les femmes les citadines, les intellectuels, beaucoup plus précisément, parce qu'il y a des ménagères aussi dans les villes. C'est surtout les citadines, il n'y a même pas travail. En tout cas, euh, on peut donner, c'est pas des critères fériés, mais les femmes ce jour-là, en tout cas, qui sont dans l'administration privée comme publique, ces femmes-là ne vont pas au travail parce qu'elles assistent à des manifestations. Mais qu'est-ce qui change fondamentalement On a vu par rapport même à l'application de quotas, qu'est-ce qui se passe Depuis que le quota est institué en 2001, ça fait plusieurs années que ces femmes luttent pour euh, l'égalité entre les sexes. Euh, est-ce que sur le terrain, on peut constater des réelles avancées Bon, c'est sûr qu'il y a eu des, avancées. On ne peut pas dénier, comment dirais-je, euh, le fait de dire qu'il n'y a pas eu d'avancées. Il y a eu beaucoup d'avancées de 2001 à aujourd'hui quand même. Quand on va au niveau institutionnel, on va au niveau de l'Assemblée, on va au niveau du gouvernement, on voit un peu l'évolution. Il y a un peu plus de femmes au niveau de toutes ces institutions. Dans les conseils aussi, il y a plus de femmes qu'à l'époque. Mais fondamentalement, ça a changé quoi Parce qu'il ne s'agit pas simplement de créer les conditions pour que des femmes se retrouvent dans ces structures-là. Mais quand au niveau, à la base, la situation ne change pas, moi je dis quelque part, c'est comme si c'est un combat qui est fait pour celles qui sont allées à l'école, qui ont un certain niveau de formation et qui arrivent à trouver, en tout cas, qui cherchent des positions institutionnelles, des positions de rente. Voilà un peu ce qui se passe. Et vous voyez bien, même, au niveau, même, au niveau, l'égalité entre les sexes n'est pas que euh, la seule préoccupation de ces femmes. Mais bon, l'égalité, c'est quoi On est tous quand même des êtres humains. Dans une société, il y a des femmes et des hommes. Ça, c'est clair. Et on, vit ensemble. On vit ensemble. On est allé dans les mêmes écoles, on a les mêmes niveaux de formation. Souvent, il y en a qui sont beaucoup plus, en tout cas à un certain niveau d'ailleurs, plus élevé que, que, les hommes. Mais ça change quoi Quand de l'autre côté, parce que je vais prendre juste l'exemple. On a vu des femmes se présenter aux élections présidentielles dans ce pays. Est-ce que les femmes se sont mobilisées derrière cette femme-là qui a osé quand même aller à des élections quand vous voulez l'égalité, vous, voulez, dire qu'au niveau de ces femmes qui revendiquent euh, euh, l'égalité entre les sexes, qu'il manque euh, de sincérité Non, mais parce qu'il y a une espèce de manipulation qui se passe parce qu'elles se revendiquent de tel parti ou tel parti. Mais à partir du moment où elles se revendiquent de telle ou telle parti, moi j'ai dit, dès lors qu'il y a une femme qui décide d'aller, en cas à la conquête du pouvoir, il faut que celle-ci se mobilise, toutes se mobilisent pour que qu'on dise qu'un jour, il y a une femme qui dirige ce pays-là. C'est ça la lutte. À partir de ce moment, bon, <laughs> peut-être la vision des choses va différer. Mais ce n'est pas le cas. C'est juste des discours circonstanciés. C'est une journée. Peut-être que ça va venir. Oui, ça va venir quand Mais ça fait combien d'années qu'on célèbre cette journée Il n'y a pas que la journée du 8 mars qui est internationale. Il y a même la journée du 13 mars. 13 mai. 13 mai plutôt, excusez-moi. Mais c'est quoi On assiste à quoi C'est le même folklore. On fait des pagnes pour les organisations qui ont des moyens. Il y en a qui se déplacent, choisissent un village alentour pour aller dire pour aller voir les femmes euh, qui sont au niveau du monde réel poser quelques actes. Mais après, est-ce qu'il y a l'accompagnement Est-ce qu'il y a un suivi C'est ça le drame. Et sans cela, je pense qu'il faut revoir les choses. Revoir les choses comment, il selon Il ne s'agit pas simplement de s'arrêter au discours. Et c'est un travail qui doit être permanent. Ce n'est pas, on vient, on fait un discours parce que c'est une journée euh, spéciale, on fait des discours, on, essaie d'établir, de, voir les statistiques, de montrer les statistiques, euh, de dire que les femmes sont marginalisées. Mais qu'est-ce que celles qui sont allées à l'école sont en train de faire Mais on a dit ça tout à l'heure. Les femmes des campagnes, ça représente quoi pour elles Absolument rien du tout. Peut-être on a identifié un village, une organisation féminine a identifié un village, on va amener quelques euh, machins, moulins à grains, quelques, pour l'a dire, on est venu, mais après, même quand le moulin tombe en panne, est-ce qu'elles elles vont retourner pour voir si ça fonctionne ou pas toute la question est là. J'informe euh, nos auditeurs que Abakari Arimi de la radio alternative vient de nous rejoindre euh, dans ce studio. Abakari Arimi, bonsoir. Bonsoir. Que pensez-vous de la célébration de la Journée internationale des droits euh, de la femme Y a-t-il, selon vous, des avancées significatives Merci bonsoir à tous les auditeurs. Euh, c'est une bonne chose, a priori. Hein. A priori, euh, vu l'histoire de cette journée-là, n'est-ce pas, euh, c'est une très bonne chose. seulement, si on fait l'état des lieux au Niger, je suis tout à fait d'accord avec Ousseini, n'est-ce pas, on s'arrête au constat, on s'arrête au discours, on met de la poudre aux yeux et puis on s'arrête là. Cependant, comme je l'ai toujours soutenu, euh, à mon humble avis, euh, la question de l'autonomisation de la femme, de, de, de, droit de la femme, passe inévitablement par la lutte contre la pauvreté, dans le milieu rural notamment, par... En lieu place euh, du milieu urbain euh, bah, Écoute, la femme qui souffre, euh, les femmes, les revendications ne sont pas les mêmes. Malheureusement, celles qui sont en monde rural n'ont pas de voix. Celles qui sont en ville, ils ont la voix, elles ont la voix et elles parlent de problèmes de poste politique, de partage au plan politique. L'égalité entre les sexes. Euh, hein, n'est-ce pas Alors que euh, la préoccupation euh, pendant qu'on est au XXIe siècle doit être à l'allègement du temps de travail de la femme rurale n'est-ce pas Parce que celle là passe à 12, 13, 14 heures de travail, euh, vraiment assez fatigant et ennuyant par jour. C'est ça qu'il faut réduire. Il faut lui donner le temps d'aller s'éduquer, de, la jeune fille rurale, d'aller lui donner le temps, le temps d'aller à l'école. Encore faudrait-il qu'il y ait cette école. Parce que l'école, elle est où aujourd'hui Donc c'est tout ça le problème. J'ai dit que le problème, euh, de, de, de, du droit de la femme passe par le règlement des euh, problèmes euh, vraiment de base, n'est-ce pas, notamment les problèmes des secteurs sociaux de base dans notre pays. Tant que tu n'as pas un système de santé qui, manque, qui, qui marche, je ne sais pas comment tu peux résoudre le problème d'accès des femmes à certains droits. Tant que tu n'as pas un tissu économique qui lui permettent de se reposer, qui permettent d'outrepasser de, par la façon traditionnelle de moudre euh, le, céréale. céréal. Je ne sais pas par où on va passer. Donc c'est tant que l'école, telle que je dirais, ne marche pas, je ne vois pas comment tu vas donner à la femme ses droits. Donc le problème, euh, c'est d'abord un problème vraiment du système tel que nous le vivons. Si les hommes politiques qui euh, aiment parler à l'occasion de cette journée-là ont réellement à cœur de résoudre les problèmes, c'est le problème de tout le monde qu'il faut résoudre d'abord. A priori, il n'y a personne qui est contre le droit. Selon vous, c'est le problème de pauvreté S'il y a la pauvreté, eh, bien sûr que nous avons des considérations qu'il va falloir euh, dépasser, mais on ne peut pas les dépasser tant qu'on ne va pas résoudre certains problèmes de base. La mouvance pour la renaissance du Niger MRN et l'Alliance pour la République l'APR ont manifesté dimanche dernier à Niamey et dans, et dans plusieurs autres régions du Niger pour soutenir le chef de l'État et son gouvernement dans la mise en œuvre de la loi des finances 2018. Occasion pour les organisateurs de la marche d'accuser l'opposition politique et la société civile de tentatives de déstabilisation du régime avant les prochaines élections de 2021. Avant de rentrer dans le vif du sujet, suivez d'abord les réactions de Soumana Sanda du, du Modène FA Lumana. Cette marche, contrairement à celle organisée par la société civile ou l'opposition avait toutes les allures d'une marche, disons, nationale, parce que les participants ont été transportés d'un peu partout. Et nous avons observé à travers les réseaux sociaux que même les moyens logistiques de l'État ont été mis à contribution pour acheminer, n'est-ce pas, les participants à cette marche-là. Nous estimons qu'aujourd'hui, si le pouvoir a voulu faire une réplique par rapport à toute la contestation soulevée par sa loi de finances et toute contestation soulevée par sa gouvernance actuelle, je veux dire, nos gouvernants ont complètement échoué parce que le peuple a refusé de suivre, n'est-ce pas, le mouvement. Le peuple a refusé de sortir et ils ont fait recours au mercenariat pour euh, effectivement remplir la place de la concertation. À présent, la réaction du Boubacar Sabo du PNDS Tareya. Vous savez, c'est pas en termes de montrer qui a le peuple ou qui ne l'a pas. Et on a marché parce que nous sommes en démocratie. De la même manière que les uns sortent pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, c'est de la même manière que d'autres peuvent sortir pour dire qu'ils sont d'accord. C'est tout. Je pense que le débat doit rester à ça. Sinon, il faut qu'on revienne aux fondamentaux de la démocratie, c'est que le peuple élit ses représentants. N'importe qui ne doit pas usurper le titre d'être représentant du peuple. Moi, parce que j'ai marché hier, je ne veux pas dire que je suis le peuple. Le peuple, c'est ceux qui ont été élus élus, les députés et le président de la République. Tous les autres là, ils font seulement du bruit, vraiment un bruit que je considère comme inutile. Je pense qu'il faut qu'on revienne à de meilleurs sentiments pour la préservation de notre démocratie. Hussein Issa, journaliste indépendant, comment expliquer une contre-marche de la coalition au pouvoir Moi, j'ai toujours été clair là-dessus. Une fois qu'on est élu, on est élu sur la base d'un programme, on doit pouvoir euh, faire en sorte que les préoccupations en cas du peuple, les préoccupations du peuple, les attentes du peuple, les attentes légitimes du peuple soient en cas satisfaites. Un gouvernement qui s'est mis, parce que moi je parle de gouvernement, parce que c'est Bazoum qui est à la tête de cette marche. À la tête de cette marche, celui qui a annoncé officiellement qu'ils vont marcher pour répondre à la société civile et à l'opposition. Ah. Je considère que c'est pas ça leur rôle. C'est pas normal euh, que, que Non, mais organise... en démocratie, à partir du moment, dans tous les pays au monde, qui sont ceux qui descendent dans les rues C'est généralement les gens qui ne sont pas au pouvoir et qui ont cette possibilité-là. Mais ils ont le droit aussi de soutenir les actions du... Ils doivent d'abord travailler les gens ont le droit de contester quand les politiques publiques qui sont mises en œuvre ne sont pas conformes aux aspirations du peuple. Les gens ont le droit de les contester. C'est ça la démocratie. Partout au monde, c'est comme ça que ça fonctionne. Allez aux États-Unis, à Washington, vous allez voir devant la Maison Blanche tous les matins des gens qui viennent contester. Est-ce que un, secrétaire d'État va dire aux, Américains descendez pour marcher aussi, pour montrer que eh, on est d'accord. Trump tous les jours les gens sont en train de le contester. C'est pas ça la mission qu'on attend de démontrer quoi. À partir du moment où ils, considèrent que, où ils ont dit que a été allé à, 87, 92, 92,7%. Mais vous avez 92, un président, mais vous allez démontrer encore deux ans après que vous, vous, vous détenez la popularité, vous avez la légitimité populaire. Mais c'est pas ça. Les gens qui sont en train de marcher, la société civile comme l'opposition, c'est par rapport aux nouvelles mesures fiscales. C'est des nouvelles mesures fiscales qui vont impacter aussi bien les gens de, la majorité que de l'opposition. C'est clair. C'est pas des mesures. On ne peut pas déterminer sur le front qui est de l'opposition, qui est de, comment veux dire, qui, est de la majorité pour appliquer. Hussein ça, selon vous, la marche de la coalition au pouvoir est inopportune Ça n'a aucun sens. Les gens sont contre. Si vous voulez, le mécanisme approprié, c'est de s'asseoir avec ceux-là qui sont contre, discuter, trouver la formule idoine pour pouvoir régler, en tout cas prendre en compte les revendications. Parce que les gens ne peuvent pas venir continuer à payer. Les gens payent déjà l'impôt parce que souvent quand j'entends sur des médias, ah, les Nigériens ne payent pas l'impôt. C'est malheureux. Ceux qui le disent, c'est malheureux. La TVA, ce pas un impôt. Sans compter d'autres impôts. Tous produits que tu achètes aujourd'hui, tu es en train de payer l'impôt. En tout cas, consommateur final, tu es en train de payer l'impôt là-dessus. Parce que le commerçant, il ne va pas perdre il fait un commerce, il faut qu'il trouve son bénéfice. Vous pensez que les ressources euh, ne sont pas bien gérées Non, il y, a, une il y une malgouvernance évidente. Est-ce qu'on a besoin de, dire ça à quelqu'un Tout le monde a constaté au, bout de sept ans. Euh, est-ce qu'on parle aujourd'hui <laughs> les recettes du pétrole, les recettes de l'uranium, l'or, tout ça Ça passe où Ça passe où Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui a changé Au contraire, les conditions de vie des Nigériens se sont dégradées au cours de ces sept dernières années-là. Abakari Arimi de la radio alternative. Après l'opposition politique, les non et la société civile, c'est la majorité au pouvoir qui organise une marche à Niamey et dans plusieurs autres localités du pays. Est-ce une bonne chose pour le pays Non, euh, je ne pense pas. Et je pense que c'est inopportun. Euh, généralement, dans un pays, si la mouvance au pouvoir, n'est-ce pas, marche, c'est pour faire marcher tous les pays. Autrement dit, c'est par exemple en cas d'agression extérieure, n'est-ce pas Ou pour soutenir un peuple à l'extérieur qui est agressé, n'est-ce pas Quand on a marché pour la Palestine, si Bazoum et sa suite étaient sortis, marcher avec tout le monde, on comprendrait. Mais euh, vous avez euh, voter une loi, n'est-ce pas C'est passé parce que vous avez une majorité à l'Assemblée nationale. Vous marchez pour dire que vous êtes d'accord avec cette loi, ça n'a absolument aucun sens parce que c'est évident que vous êtes d'accord avec cette loi, puisque c'est vous qui l'avez euh, initiée. Initié. Maintenant, ce qui marche, n'est-ce pas Certainement, il y a des gens qui ont voté pour le président actuel et qui euh, sont désabusés et qui marchent avec, à l'appel des organisations de la société civile ou de l'opposition. Ça, c'est bien normal et c'est pour montrer au peuple entier que les gens ne sont pas d'accord. Mais quand tu es d'accord, oui, tu es d'accord et c'est ça qui est en vigueur. Donc tu n'as absolument pas besoin de marcher que vraiment pour lancer dans la polémique, pour, euh, je ne sais pas, pour alimenter quoi que ce soit, mais quelqu'un d'abord qui a 92% n'est-ce pas S'il marche, euh, c'est pour que la circulation s'arrête dans les rues de Nîmes. On n'a pas vu ça ce jour-là, n'est-ce pas Tout était normal. Donc déjà, c'est normalement ils doivent comprendre que oui, il y a une bonne frange de la population qui n'est pas d'accord avec euh, ce que nous sommes en train de faire et on doit revenir sur une table pour parler avec tout le monde. Malheureusement, non, non, non, euh, il faut revenir. Je crois que les gens se trompent d'époque, se trompent. Euh, j'ai entendu le représentant de la MRN qui parlait de démocratie. Justement, la démocratie, c'est permettre au plus petit nombre, même à un individu, de pouvoir dire qu'il n'est pas d'accord et de l'écouter et de prendre en compte ses préoccupations. Mais euh, euh Abbachari Arimi, ce n'est pas un péché de marcher pour soutenir les actions du président de la République. Hein. Oui, mais euh, la, la, la, démocratie a ses expressions, a sa façon de s'exprimer. N'est-ce pas C'est celui qui se sent oppressé, c'est celui qui se sent opprimé qui manifeste. Ce n'est pas celui qui exerce qui manifeste parce que euh, on manifeste pour euh, exprimer une désapprobation. N'est-ce pas On ne manifeste pas pour dire oui, on est d'accord, mais ça n'a aucun sens, puisque cette loi est en application. Donc moi, je pense que euh, les gens ont voulu le faire, ils ne devraient pas le faire, sinon Bon, chaque marche de la société civile, euh, parce qu'ils ont dit qu'ils vont marcher chaque deux semaines, dimanche déjà, ils vont marcher, il faut que la semaine prochaine encore, eux aussi, ils marchent. Je ne sais pas s'ils ont le temps, je ne sais pas s'ils ont les moyens d'organiser une marche de telle manière que chaque deux semaines, eux aussi, ils soient dans la rue. Chacun est à son rôle le rôle de celui qui est au pouvoir, c'est d'exercer le pouvoir. Celui qui ne l'est pas, c'est de contrôler ce pouvoir-là. Et les contestations, les manifestations rentrent dans la droite ligne de ce contrôle vraiment citoyen de l'action publique, tout simplement. Abachari Arimi, euh, au même moment, le 4 mars, certaines associations avaient voulu euh, organiser un prêche à la grande euh, mosquée de Niamey. ce marche, nous euh, n'a pas eu lieu. Avez-vous cherché à savoir pourquoi? Euh, je n'ai pas, je n'ai pas cherché à savoir. J'ai vu euh, des, bon, de, la rumeur, les réseaux sociaux qui mettent, remettent en cause certaines associations pour dire qu'ils n'ont pas autorisé euh, l'utilisation de la mosquée, des trucs comme ça. c'est possible. Mais ce je n'ai pas d'informations précises sur cette question-là. Si c'est le cas, je dirais que ce n'est pas euh, normal. La démocratie doit pouvoir s'exprimer. Nous sommes euh, des musulmans, n'est-ce pas Si on peut euh, aller marquer notre désaccord avec quoi que ce soit au sein de la mosquée, nous devons pouvoir le faire pourquoi les Congolais ils sont en train de le faire. Et d'ailleurs, l'Église est aujourd'hui au Congo à l'avant-garde de la lutte contre la dictature de Kabila. Donc, il ne faut pas euh, dramatiser euh, les mais choses. L'État doit être séparé de la religion. la Constitution le dit. Mais pourquoi le président de la République jure sur le Coran euh, pour dire qu'il va respecter ceci, cela au, moment de son investiture Je crois qu'on ne peut pas. Ce qu'on ne veut pas, c'est dire que si tu n'es pas musulman, tu ne feras pas ci, si tu n'es pas chrétien, tu ne feras pas ça dans un État dit laïque. Mais euh, au moment où on va à la mosquée prier, ce n'est pas les chrétiens qui vont aller. Les chrétiens vont peut-être, eux, le faire à l'église. Donc la séparation, elle est assez nette, mais euh, avant d'être euh, chrétien ou musulman ou quoi que ce soit, on est citoyen. Et le citoyen a naturellement une religion ou pas selon son choix. Donc il ne faut pas faire de l'amalgame ou vouloir dramatiser sciemment des situations qui ne sont pas. Ousenissa, vous avez quelque chose à ajouter Ce que je veux dire, c'est justement ce qu'Arimi vient de dire. Il y a une volonté d'amalgamer les choses. Ils ont décidé d'aller parce que tout simplement, moi j'ai dit quelque part, quand ils ont décidé d'aller, je sais pas, ça a été interdit, je n'ai pas eu information par rapport à ça. Mais toujours est-il dit que c'est des situations comme ça qui amènent le plus souvent ce qu'on a vu à l'occasion des manifestations anti-Chali. Bah, j'ai dit, donner la possibilité. Parce que ce n'est pas forcément la chute. Les gens sont en train de se battre pour empêcher à ce que les conditions de vie des Nigériens deviennent plus difficiles. C'est ça le sens. Ce n'est pas un combat politique. Les nouvelles mesures fiscales sont en train d'être appliquées progressivement. Les gens sont en train de le ressentir. Selon vous, ce n'est pas une tentative de déstabilisation Quelle tentative de déstabilisation C'est la paranoïa chez eux. C'est la paranoïa. Quelle déstabilisation. Les gens veulent dire, revenez, on va discuter, parce que les citoyens n'ont pas, les citoyens lambda d'Ambala. ils n'ont pas la possibilité de payer ce qu'on leur dit de payer plus, ce qu'on leur demande aujourd'hui de, donner davantage, parce qu'ils donnent déjà, ils payent déjà les impôts. Maintenant, on se lève un bon matin, on crée des nouvelles taxes et on dit aux citoyens, c'est vous, vous allez payer pendant que on, fait des cadeaux fiscaux à, des compagnies de téléphonie, à des multinationales. multinationales. Vous pensez que c'est normal dans un pays où on respecte le, peuple d'en bas C'est pas normal. Politique, euh, toujours avec euh, les partis politiques membres de l'opposition et les non-affiliés qui ont boycotté mercredi dernier la première session du Conseil national de dialogue politique CNDP convoqué par son président pour s'informer sur le processus électoral en cours au Niger. Avant de vous donner la parole, suivez d'abord la réaction du secrétaire permanent du CNDP, Yahya Garba, interrogé par Rukayetou Abdraman. Le groupe de l'opposition n'était pas du tout à la réunion. Les non-affiliés ont envoyé deux représentants. Les non-affiliés ont voulu qu'il y ait d'autres points, l'adoption du règlement intérieur, la révision des textes électoraux, euh, la réunion a pris acte. La réunion a estimé que, séance tenante, on ne pouvait pas changer l'ordre du jour pour prendre en compte les points que les non-affiliés ont proposés. La réunion a souhaité que ça soit débattu à un autre jour. Sur ces entrefaits, les non-affiliés ont estimé que bon, ils ne pouvaient plus continuer parce que, eux, le point qui a été retenu selon ce qu'ils ont dit ne les concerne pas du tout. Et ils se sont excusés, ils se sont retirés. La réunion a continué avec les membres de la CENI pour parler des préparatifs des élections. C'est ainsi que le président de la CENI et ses collègues ont fait l'exposé de toutes les activités qu'ils ont menées jusqu'à cette étape et de ce qu'ils entendent faire dans les jours à venir et de l'espoir qu'ils ont par rapport à la bonne marche du processus. de ce n'est pas la première fois que l'opposition politique et les non affilés boycottent une réunion du CNDP. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose pour le Niger et sa démocratie vous savez, le CNDP, l'esprit du CNDP, c'est d'abord la recherche de consensus. Tout à l'heure, Hermie vient de dire une chose, c'est que la minorité en démocratie, ça doit pouvoir compter. L'esprit ou la transformation du CNDP depuis qu'ils sont là, c'est qu'ils ont une majorité. Ceux qui veulent imposer, ils l'imposent. Alors que c'est un cadre de recherche de consensus sur les questions politiques ou toute autre question qui engage la vie de la nation. C'est tout le processus électoral. Mais, le processus électoral, en amont, il y a eu des actes qui ont déjà été posés, sans les autres, sans l'opposition, sans les non-affiliés. Notamment la décision de, de, de, de reporter les, les élections locales. Ça a été posé, non Il y a eu beaucoup de modifications de textes en temps. Maintenant, on va leur dire, venez, on va discuter. Ils vont venir discuter de quoi Moi, pour moi, je ne vois pas. Parce que quand on cherche le consensus, parce qu'ils vont venir juste à la, limite valider des choses qui ont déjà été faites. D'accord, il n'y a pas un enjeu important, il y a un travail qui a été fait par la CENI qui a été installé, mais même les conditions dans lesquelles la CENI a été installée, on a connu ça. On a connu ça. Parce qu'on a dit, pour une question de transparence, normalement, voilà comment les choses doivent, se passer. On a vu qu'on a écarté un candidat qui était bien positionné, ils sont sortis, ils ont dit que non, ils, nous, critiquent. À partir de ce moment, le jeu est faussé. Il n'y a aucune volonté de transparence dans ce qui est en train de se passer. Vous parlez de ah, Boubacar Hassan Amadou ah, Docteur, oui. Docteur Boubacar Hassan Amadou. mais c'est un fait que tout le monde connaît. Les constitutionnalistes. Oui, c'est un fait que tout le monde connaît. Il n'a pas été capté. Est-ce que c'est normal ça Quand on a une volonté, en tout cas, quand il y a véritablement cette volonté de faire la transparence, est-ce qu'on doit poser des actes comme ça Ils vont venir leur dire, venez vous asseoir, on va dire, voilà ce qu'on a pu poser comme acte depuis qu'on a commencé le processus. Mais il y a déjà des ratés. On devait pouvoir respecter, quand il y a des modifications, il y a le code électoral qui a été modifié en amont. Au niveau de l'Assemblée, sans, l'opposition. Je me rappelle, il y a un certain nombre de... Mais c'est des textes, quand on décide de modifier des documents importants, en tout cas des, les, textes les textes électoraux, on doit pouvoir faire l'union autour de ça. On ne fait pas du forcing parce qu'on considère qu'on a la majorité. Et ils sont dans une logique où ils montrent qu'ils ont la majorité. Vous venez, que vous soyez là ou pas, nous, nous allons modifier, nous allons les imposer. Abachari Arimi, comment expliquer une réunion du CNDP sans l'opposition et les non-affiliés en fait, hein, moi, j'ai un sentiment euh, simple que euh, cette euh, structure qui était devenue une quasi-institution du temps de la Ve République est aujourd'hui vidée. Or, c'était un symbole, n'est-ce pas, qui nous était envié par beaucoup de pays et qui a fait son bonhomme de chemin apprécié même de tous les citoyens. Mais malgré tout, ces euh, délibérations, n'est pas constitutionnelle. Non, non, c'est ce que j'ai dit, c'est devenu une quasi-institution. Et euh, les citoyens s'identifier et accepter les décisions ou en tout cas les consensus issus des délibérations de cette instance, n'est-ce pas Pourtant euh, informelle comme tu l'as dit. Aujourd'hui, euh, depuis combien de temps, depuis euh, pratiquement plusieurs années, euh, ça n'a jamais été une structure qui a convenablement marché. parce que ça se fait toujours sans l'opposition. Et je trouve que c'est un raté, c'est un recul. les gens qui sont au pouvoir actuellement ont profiter pourtant de cette instance-là pour passer, faire passer et se faire entendre, tant sur le plan national que sur le plan vraiment, euh, même ceux qui n'arrivaient pas à imposer, à faire passer au niveau de l'Assemblée. Il parvenait à le faire passer au CNDP, puis le faire accepter par l'Assemblée. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Or, c'est un cadre où tous les leaders euh, parce que c'est des grands leaders d'opinion, les leaders politiques se retrouvent, expriment leur point de vue, font des propositions. Moi, je pense que c'est un raté grave de cette septième république-là, qu'il va, euh, qui doit attirer l'attention de l'exécutif qui doit vraiment euh, être pesé de tout son poids pour que cela marche. Parce que les Nigériens l'ont accepté, c'est ça qu'il faut, qu'il faut retenir vraiment. Selon vous, euh, Abba comment faire pour euh, ramener la sérénité au niveau du CNDP Écoutez, ceux qui refusent que le CNDP marche, à mon avis, c'est la partie, le, côté pouvoir. Ils ont un chef, c'est le président de la République, même si c'est le chef de toute la nation, n'est-ce pas C'est lui qui peut imposer, peut-être euh, changer tout simplement les personnes qui participent, les représentants de, ces partis, parce qu'il est aussi quand même euh, chef de file, je dirais, d'une euh, large coalition. C'est de cette manière seulement que ça peut marcher. On sait que c'est une instance importante. Euh, souvent, c'est ça la démocratie. Hein. Parfois, ce n'est pas tout ce qui existe là. Non, les, les solutions peuvent venir de l'informel. C'était une trouvaille à la nigérienne et qui a très bien marché. Je ne sais pas pourquoi il faut marquer des, euh, un recul par rapport à ça et venir. Non, je pense que ça n'a pas de sens. Il faut vraiment que le président de la République euh, pèse de son poids. Ousse Issa, comment selon vous faire ramener la sérénité au niveau du CNDP mais moi, je ne vois pas comment la CNT peut revenir. Parce qu'à partir du moment où les gens, quand ils viennent chez G, ils viennent avec dans l'esprit, nous sommes majoritaires. Ce n'est pas une instance où c'est la majorité. Vous faites venir les gens. Il y a des problèmes politiques qui sont là. Donc comment, vous n'êtes pas du même avis qu'Arimi qui pense que le, seul le président de la République la a, Mais non, ils viennent déjà, ils viennent avec des a priori. Nous sommes majoritaires, qu'ils soient là ou pas. Nous allons décider ce que nous voulons, ce que nous avons peut-être décidé en amont, et nous allons leur imposer ça. Le CNDP, ce n'est pas ça l'esprit. Est-ce que le président de la République peut faire quelque chose à ce niveau Mais il peut faire quoi Il peut faire quoi Il observe, non il observe, ce n'est pas le CNDP qui a dit qu'il n'y aura pas d'élection locale, parce que le même fichier qui a servi à, à son élection, qui a servi à l'élection des députés, ils sont venus dire non, le fichier n'est pas bon. Non, il faut un nouveau fichier électoral pour pouvoir aller aux élections et le fichier électoral biométrique. Mais, biométrique, on devait faire ça depuis le premier mandat déjà, il avait annoncé que le, deuxième, les, élections de 2016 allaient être organisées avec un fichier biométrique. C'est en cours de route qu'on a dit non, non, non, le n'était pas, le temps ne pouvait pas permettre d'élaborer un fichier biométrique. Et même maintenant, c'est le même jeu qui est en train de se, faire. Est-ce que vous êtes, vous convaincu qu'il y aura ce fichier biométrique-là Qu'est-ce qui est en train d'être fait concrètement et puis, des questions comme ça, c'est des questions de transparence. Quand on veut la transparence, quand on veut la paix. Et je tiens à dire que le CNDP a été quand même euh, créé avec le concours de certains partenaires, dans le PNUD, parce que il fallait créer les conditions d'apaisement du climat politique dans le pays. Ils sont venus, ils ont décidé que non, nous avons aussi bien à l'Assemblée, on dit, quand j'entends les gens dire, bon, les représentants du peuple, ça veut dire un citoyen ne peut pas s'exprimer. Moi, citoyen, ça ne va pas, parce qu'on veut m'opprimer. Moi, je ne peux pas sortir dire parce que j'ai un représentant à l'Assemblée. C'est ça, les représentants du peuple, des vrais représentants du peuple. Quand, la loi de finances a été soumise là, les gens sont allés les rencontrer pour leur dire voilà les mesures, vraiment revoyez la copie. Ils ont fait des propositions. Ils, ont fait avec des propositions concrètes. Hein. Ils ont refusé. Ça a été voté en l'État. Il n'y a pas eu de modification. Et les gens sont qui mentent, ils disent, par exemple, la taxe d'habitation pour les 3 kilos, ils disent que non, c'est 200 francs. Demandez à ceux qui ont reçu leur facture. C'est au moins 1000 francs, plus un thème de 200 francs là-dessus. Ouverture euh, lundi dernier à l'hémicycle de l'Assemblée nationale de la première session ordinaire au titre de l'année 2018. Plusieurs euh, projets de loi seront examinés et adoptés au cours de cette session dite euh, de loi qui durera 90 jours. Abachari Arimi, quels sont pour vous les projets de loi très attendus et pourquoi je, te le disais quand tu m'avais appelé je ne me suis pas trop intéressé euh, à ça. J'étais plutôt vraiment euh, euh, en train de penser à la marche, au CNDP. Donc, je ne sais exactement pas. Je n'ai pas écouté le discours d'ouverture. Je n'ai rien écouté. donc, si vous aviez un son, on aurait pu faire des choses. Mais moi, vraiment. Malheureusement, on n'a pas prévu. Non. Euh, Abakari Arimi, l'ouverture de cette session intervient dans un contexte où la tension sociale est de plus en plus grande au Niger. Comment l'Assemblée nationale peut-elle contribuer à apaiser les tensions et les contestations euh, moi, à mon avis, c'est très difficile pour euh, notre Assemblée telle qu'elle est configurée parce que il y a une majorité qui est là et qui satisfait à 100% aux exigences de l'exécutif. Euh, tant que l'exécutif, euh, et on a vu les chefs de l'exécutif, hein, un certain nombre de ministres d'État euh, qui se sont exprimés il n'y a pas longtemps, pour dire par exemple que l'objet de la dissension aujourd'hui, notamment la loi des finances, ne sera pas modifié et sera appliqué. Et je ne pense pas que cette Assemblée, n'est-ce pas, va proposer autre chose. Euh, par exemple, euh, selon toute vraisemblance, ils ont bien voulu en débattre déjà lors de la session de finances euh, euh sur cette loi-là, mais euh, leur exécutif leur a demandé de voter ça en l'état et ça a été voté en l'état. Et puis c'est euh, passé comme lettre à la poste. Voilà, comme une lettre à la poste. Or, euh, quelque chose qui suscite autant de débats, ça aurait, il aurait pu proposer au moins quelques changements. Ils ne l'ont pas fait. Je ne pense pas que cette Assemblée va jouer un rôle dans ce cadre. Peut-être si le président de l'Assemblée a lancé un appel à l'apaisement au cours de son discours d'ouverture, ça peut s'arrêter à ça, à mon avis. Ousainissa, quelles sont les attentes euh, des différents acteurs concernés par, le projet, par les projets en examen mais les projets en examen, les attentes. Moi, je dis, si c'est au niveau de l'Assemblée, tous ces projets en examen là vont passer. Ça va passer. Parce que voilà quelque chose de plus fondamental. Notamment le projet de loi de finances où les acteurs se sont mobilisés, les acteurs de la société civile, l'opposition politique, pour créer gare. Il y a un certain nombre de mesures, nouvelles, nouvelles mesures fiscales qu'il fallait. L'Assemblée n'a pas voté. On a une caisse de résonance. Mais outre euh, les, projets de loi euh, dont vous, faites allusion là, il y a certains projets de loi tels que euh, le statut autonome du corps de la magistrature, le statut autonome du corps des douanes. Mais tout ça là, ça va passer. Ce n'est pas le gouvernement qui a fait. mais ils vont amender. Ils vont, amender, quoi Ils vont amender quoi Sincèrement, je ne pas. Ils, ils vont rien amender. C'est le gouvernement qui a fait, non Ils vont faire quoi des gens qui ont été incapables de voir où ils sont représentants du peuple, non. C'est le peuple qu'ils devaient. Ils sont là-bas pour défendre le peuple. Et le peuple a dit, en tout cas, bon, quand je dis le peuple, quand je vois un peu les nouvelles mesures fiscales, ça va impacter. Les effets vont impacter directement sur les citoyens à la base. Donc vous n'attendez rien à un mot. Mais non, mais moi, j'ai dit, c'est sont les lois ils vont voter les lois et puis c'est tout. Issa, comment l'Assemblée nationale peut-elle contribuer à apaiser les tensions Mais et quelle tension Mais ils pouvaient le faire en amont. La tension, là, ils pouvaient faire en amont. Quand ils devaient discuter de la loi de finances, la société civile allait vers eux pour dire faites attention, voilà, avec des propositions bien concrètes. Est-ce qu'ils ont pris ça en compte et même les, les, les, les, textes en discussion n'ont pas fait l'objet de, de, retransmission en, direct à, la télé. Moi, mais moi, je vais dire, parce que quand, quand, voilà une préoccupation, des préoccupations sociales, les gens sont allés vers eux pour leur dire voilà nous nos propositions, parce que ces mesures-là, quand vous allez les mettre en œuvre, ça va vraiment avoir des effets, ça va et, comment vais-je dire, le, le, le, le, niveau de vie des citoyens d'abord un niveau de vie, la précarité dans laquelle les gens vivent déjà, ça va encore aggraver ça. Ils ont Peut-être que c'est une occasion pour s'amender au cours de cette session. Mais ils vont s'amender par rapport à quoi Les coques de douane, c'est tous les Nigériens qui sont des douaniers. Voilà, nous sommes au terme de ce forum euh, du studio Kalangou. Nous étions avec euh, Abba Chari, Arimi de la radio alternative. Nous étions également avec euh, Hussein Issa, journaliste indépendant. Merci à vous tous de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h15 avec euh, Maman Ada pour le forum en Hausa et Balkis Hamidou pour le forum en Zarma qui nous parleront des enfants utilisés comme guides des mendiants à Niamey. Merci, au revoir.